Salut les amis, c'est l'heure de l'actu des jeunes, l'émission 100% jeune que vous présente le studio Kalangu chaque week-end. Au micro, c'est votre Olivia Sogavier à mes côtés Rabi Issoufou Maïkano. Comment tu vas, ma Ça va, je vais bien. Et toi, Oli Ça va, tranquille, Dieu merci. Alors, t'as quoi pour nous ce soir ben, Écoute, ce soir, nous allons d'abord faire un tour à Agadez pour parler d'une rencontre sur la paix et la cohésion sociale organisée par le Conseil régional. Dans la rubrique Portrait du dimanche, nous allons débarquer à Zender pour rencontrer Sanoussi Abdoulaye, un jeune engagé dans la lutte contre le changement climatique. Et comme d'hab, nous allons finir en mode sport. le rôle et la contribution de la jeunesse dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale au cœur d'une rencontre organisée par le Conseil régional d'Agadez. C'était du 13 au 15 juillet 2022 à la Maison de la Culture. Plus de détails dans ce reportage de Moussa Maman. Le Conseil régional de la jeunesse d'Agadez a débattu de la place des jeunes dans la recherche de la paix et de la sécurité pour la région d'Agadez et le Niger. Abdraman Koutata, le président, explique. Les jeunes veulent se placer au centre de la question de la paix et se dire qu'ils sont à part entière des acteurs qui peuvent contribuer de manière efficace à la consolidation de la paix et surtout à la sécurité de notre pays. C'est pour aussi dire que les jeunes ne peuvent et ne doivent plus être des victimes parce que les jeunes sont utilisés des fois abusivement. Pour les jeunes participants, cette rencontre est une opportunité pour apporter leurs contributions dans le cadre de la consolidation de la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans la région. On va tout donner aujourd'hui sensibiliser la jeunesse que la terreur n'est pas bon. Ce qu'il s'agit, c'est de travailler pour son pays. Pour lutter contre cette insécurité, il faut éviter les choses chômage des jeunes, le banditisme. Il faut trouver quelque chose pour les jeunes, un peu du travail. Un plan d'action sera établi et il permettra de mener des initiatives et des activités génératrices de revenus afin de lutter contre la délinquance juvénile. Chers amis, c'est les grandes vacances et qui parle de grandes vacances à Niamey parle de cérémonie de mariage. Et pour satisfaire les exigences de leurs clientes, les coutureux se préparent en conséquence avec pour but de ne rater aucune commande. Pour bien comprendre les choses, Ravi elle-même a débarqué sur le terrain. <laughs> Dans cette ville, on célèbre beaucoup de cérémonies. À cette période, nous avons énormément de clients qui veulent coudre leur uniforme de mariage. Nous remercions le bon Dieu pour ne pas donner un faux rendez-vous à un client. Nous les prévenons que nous avons d'autres clients qui attendent. S'ils ne peuvent pas attendre, ils peuvent partir ailleurs. Pendant les grandes vacances, nous sommes plus débordés que pendant les fêtes et c'est à cause des cérémonies. Quelquefois, nous sommes à la télé de 6h à minuit. Parfois, nous dormons même ici. Même si nous sommes surchargés, nous nous arrangeons pour euh, satisfaire nos clients fidèles. Pour y faire face, nous rajoutons des machines et des couturiers. Oli, le village de Bombay Tunga dans la commune de Tanda, département de Gaïa, était jadis une localité où la pêche faisait la fierté de la jeunesse. Aujourd'hui, l'ensablement du fleuve oblige les pêcheurs à combiner la pêche à l'agriculture, une réelle adaptation que notre reporter Fadel Alou a suivi juste pour vous. Dans ce village situé près du fleuve Niger dans le département de Gaïa, la pêche est la principale activité des habitants. Cependant, aujourd'hui, le poisson se fait rare avec l'ensablement du fleuve qui ne permet plus de faire de grosses prises. Ali Yakouba, chef du village, explique. Ce sont les jeunes qui mènent ces activités de pêche. Les plus censés gagnent 200 000 francs ou 300 000 francs. Malheureusement, c'est difficile de nos jours mais il se ainsi. L'ensemblement du fleuve Niger met à mal l'activité de pêche et certains jeunes se sont tournés vers l'agriculture. Le fleuve est sec maintenant, il n'y a plus rien. Dieu merci, il est à la terre, donc nous faisons nos activités agricoles. Actuellement, j'ai semé le mil, le sorgho, l'arachide. Certes, ils sont nombreux les jeunes qui tirent leur épingle du jeu de l'agriculture, mais la quasi-totalité préfère la pêche. C'est pourquoi ils lancent un appel à l'endroit des autorités pour désensabler le fleuve. Place au portrait du dimanche, notre étoile du jour, Sanoussi Abdoulaye, est engagé dans la lutte contre les effets du changement climatique. Un combat qu'il mène en installant des biodigesteurs dans des ménages des villages de Zender, permettant ainsi aux femmes de ne plus aller faire des corvées de bois et protégeant ainsi le couvert végétal. Ben, Olivier euh, Sanoussi Abdoulaye, tu l'as suivi. On suit euh, le portrait que tu as dressé qui a été rendu au studio par Alamine Ouachar. Ce soir, c'est à l'extrémité de la ville de Zender, dans la commune de Bargouma, qu'il nous reçoit dans une maison abritant un biodigesteur qui fonctionne grâce à des bouches de vaches. Des bouches de vaches grâce auxquelles les communautés peuvent produire du gaz naturel servant à la cuisson et l'éclairage. Il nous explique les raisons de son engagement dans la mise en place de ces projets. En tout cas, les bénéficiaires, à chaque fois que nous discutons avec eux, par rapport à la coupe de bois, déjà, c'est un facteur que eux-mêmes ne veulent pas s'éterniser là-dessus. Le biogaz, il est là. Les femmes sont en train de préparer avec ce biogaz-là. Outre la production du gaz naturel, les biodigesteurs fournissent aux communautés des engrais organiques pour la fertilisation du sol. Quand vous prenez la production, en tout cas annuelle des producteurs, qui est très minime, à travers ces biodigesteurs-là, nous avons euh, les effluents qui est vraiment un engrais organique euh, de belle facture qu'on pouvait utiliser euh, à l'état liquide ou bien même à l'état composté. Et ça, ça permettra aux producteurs, n'est-ce pas, de rehausser la production agricole. L'initiative du jeune Sanoussi est très prise par la communauté, surtout les femmes. Koubra Meto témoigne. Ça nous soulage vraiment de la recherche du bois de chauffe. Et c'est très pratique en plus. Parce que lorsque nous partions chercher du bois de chauffe avec nos haches, les gardes-forêts nous chassent. Mais là, Dieu merci, ça s'améliore avec ces genres de foyers. Nous sommes vraiment très contentes. Face aux effets des changements climatiques, les initiatives locales d'adoption sont des alternatives pour la population. À présent, la partie sport avec Mister Abibou Garba. En football, le mercredi 20 juillet a eu lieu au Maroc le tirage au sort qualificatif de la Ligue africaine des champions féminines CAF Abidjan 2022 de la zone IFOAB. Sept clubs sont engagés et répartis en deux groupes A et B. Le représentant du Niger, Laissa Police, fait partie du groupe A, dont les autres membres sont l'Africa Sport d'Abidjan et Sport FC du Bénin. La compétition est prévue du 13 au 26 septembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En taekwondo, fin dimanche à Kigali, au Rwanda, du championnat africain de taekwondo le Niger rafle cette médaille et est classé quatrième avec 58 points derrière le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. C'est la fin de l'actu des jeunes de ce soir, chers amis. Si Dieu le veut, rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez nous réécouter sur le 3 de 5 avec RTL Niger. C'est gratuit.